Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna na watay. Ukayesi. Barkaji modon e, e wonta golitane. Jama'a barkamu da shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Chers auditeurs, euh, bonjour. Nous sommes jeudi 25 janvier 2024. Il vient de sonner 11h à Niamey et partout au Niger. Du lundi au vendredi, le Niger sur Kalangu est diffusé sur euh, les ondes de nos radios partenaires. Au micro, je suis Ali Moukela alias Seno et à mes côtés, Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment vas-tu Je vais bien Seno et toi Super. Alors, qu'avons-nous ce matin pour nos auditeurs nous avons élaboré pour nos auditeurs un programme riche et varié. Tout d'abord, nous ouvrons avec le flash d'informations. Notre sélection musicale d'aujourd'hui vous transportera de l'univers du rap nigérien. Vous aurez également l'écho des régions, le sport à sa place également dans cette émission car il est un moteur de passions et d'émotion. La culture linguistique sera servie en full full day, sans oublier la chronique Lotti du Desk du studio Kalango. Et eh oui, Mariam, nous sommes jeudi et les jeudis sont consacrés à l'éducation numérique. On vous amènera dans le monde du cinéma. J'imagine déjà les scénarios. C'est de cela qu'il s'agit, l'importance du scénario. Dans la partie entretien, nous recevons aujourd'hui Soueba Ibrahim. Elle est la présidente de la Ligue nigérienne des droits des femmes. Avec elle, nos échanges porteront sur les questions de la défense des droits des femmes au Niger. Nous terminerons cette euh, édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Parez-vous à vivre une heure rythmée. Restez à l'écoute. C'est parti. Sans trop tarder, voici les flashs présentés par Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Bonjour. C'est aujourd'hui que débute le prélèvement des 10 francs sur les appels téléphoniques et les forfaits Internet. Il s'agit d'une mise en application de l'ordonnance du 21 décembre 2023, modifiant et complétant celle du 11 décembre à octobre, autant pour moi 2023, portant création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Selon le gouvernement, ces prélèvements permettront de mobiliser des ressources financières pour renforcer les capacités des FDS dans leur mission de défense de la patrie. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Alio s'est exprimé hier sur l'affaire des 1400 kg d'or sortis frauduleusement du Niger. C'était au cours d'un entretien qu'il a accordé à la Voix du Sahel. Il a déclaré que dès l'éclatement de l'affaire, la police judiciaire a été saisie pour mener des investigations. L'enquête suit son cours normal, a-t-il précisé. Enfin, les trois braconniers libyens arrêtés la semaine dernière dans la commune de Djado euh, région d'Agadez, ont été libérés. Cela fait suite à une rencontre entre les autorités nigériennes et libyennes. Ils ont été rapatriés hier à bord d'un jet privé du commandement général, rapporte à Air Info. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci Nafisa pour toutes euh, ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes avec Soueba Ibrahim, président de la Ligue nigérienne des droits des femmes. Bonjour Madame Soueba. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence euh, dans cette émission. Merci infiniment euh, de nous honorer de votre présence dans cette émission. En attendant de rentrer dans le vif du sujet, euh, savourons ensemble la première note musicale de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Rama de l'artiste Moussa Toudou. On écoute. raconte une histoire poignante à travers ses titres Rama. C'est la triste réalité d'une jeune mariée qui, malgré son engagement, persiste à vivre comme une célibataire toujours en compagnie de ses amis garçons. oui, malheureusement, euh, ces choix l'ont conduit à une grossesse hors mariage. La musicalité et la narration font de ce morceau une œuvre qui suscite réflexion sur le respect euh, des engagements et les défis dans la vie conjugale. C'était là le titre Rama de l'artiste Moussa Toukou. Présidente, à nous maintenant, rebonjour. Présentez-nous brièvement la Ligue nigérienne des droits des femmes et les objectifs qui lui sont assignés. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, la Ligue nigérienne des droits des femmes, c'est une organisation féministe nigérienne qui a été créée et mise en place par des jeunes femmes nigériennes mhm. et dont le but principal est d'œuvrer pour vulgariser les droits mhm. des filles et des femmes au Niger et faire en sorte que toutes les femmes et les filles puissent vivre en sécurité. D'accord. Que les femmes et les filles du Niger puissent connaître les droits, mhm. qu'elles en jouissent pleinement et qu'elles puissent en demander application. Super. Alors, euh, quelle lecture faites-vous hein, des droits de l'homme au Niger alors, la situation des droits humains au Niger n'est pas réduisante, c'est ce que je peux dire de premier abord, parce mm. que nous sommes dans un contexte et nous faisons face à plusieurs challenges. Mm les challenges liés à la sécurité, les challenges liés au changement climatique, les challenges liés aussi à la situation politique. Et donc, ces trois challenges sont venus s'ajouter mhm. à des situations qui n'étaient pas déjà euh, assez réduisantes bien avant. Donc, ça ne fait que compliquer des situations qui n'étaient pas déjà meilleures. Ok. Alors, euh, quelle est votre appréciation sur les droits de la femme alors, vous savez, euh, au Niger, nous sommes encore au stade pour demander les droits les plus élémentaires encore. Donc, euh, par exemple, rien que le droit à l'éducation, c'est encore un combat. Mhm. Alors que l'éducation, comme le droit à la vie, comme le droit à la santé, doivent être euh, des choses qui doivent aller de soi, des choses qui doivent être tout à fait naturelles. Mais nous sommes encore à un stade où on se bat pour le droit à la vie, on se bat pour le droit à l'éducation, on se bat pour le droit à la santé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail, nous avons beaucoup de, comme on dit, du pain sur la planche. <laughs> D'accord. Alors, selon vous, quels sont les défis auxquels sont confrontées les femmes au Niger dans la réalisation de leurs droits moi, je pense que euh, la chose la plus importante mhm. et le défi à relever, pour moi, c'est d'abord l'éducation c'est d'abord l'accès à l'information. Hmm. Parce que quel que soit ce que vous allez faire, hmm. si les gens ne connaissent pas leurs droits, si les gens n'ont pas accès à la bonne information pour connaître leurs droits, hmm. et si les gens n'ont pas accès à l'information pour savoir où est-ce qu'ils vont exercer leurs droits, qu'est-ce que soit ce que vous allez faire Ça ne peut pas aller au rythme que vous voulez. Mhm. Parce que tout simplement, l'éducation, c'est la base de tout. L'information, comme on dit, c'est le pouvoir. Mhm. Et si les gens n'ont pas accès à l'éducation, à l'information, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et on sait qu'on ne peut pas défendre tout le monde. On a intérêt à ce que les gens puissent être suffisamment renforcés dans leurs capacités, mhm. puissent être suffisamment outillés pour se débrouiller tout seul Donc pour moi, je pense que le défi premier, d'abord, c'est l'accès et la connaissance des droits. Mm, d'accord. Alors, comment intervenez-vous dans la promotion de leurs droits Et l'un des axes stratégiques de la Ligue, et je pense que c'est l'un des axes où nous mettons beaucoup plus mm, de moyens et d'efforts, c'est justement pour vulgariser tout ce qui existe en termes de mécanismes de défense des droits, en termes de textes existants et aussi en termes d'institutions qui peuvent aider les gens si une personne mm, est confrontée à une situation donnée, il faut que cette personne puisse être capable de se diriger au bon endroit, au bon endroit où elle va recevoir la bonne information, où elle va recevoir l'aide dont elle a besoin. Donc je pense que la vulgarisation du, droit, des textes, des institutions, c'est l'un de nos points sur lesquels nous mettons beaucoup plus d'accent. Ok. Alors, euh, comment euh, la Ligue travaille-t-elle avec d'autres organisations pour renforcer la protection des droits des femmes hmm. Alors, heureusement que à la Ligue, nous ne sommes pas seuls. Hmm. Nous sommes euh, tous les jours en partenariat avec d'autres organisations nigériennes mhm. avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs, avec lesquelles nous avons, disons, une sorte de vision commune. Et à chaque fois que c'est possible, nous mettons en œuvre des activités en commun. Je peux citer par exemple euh, la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, mm. euh, la JFSR ou Women in Global Health Niger. Mm. Ce sont, on va dire, les trois principales mm, organisations nigériennes avec lesquelles nous collaborons. Cependant, mm-hmm. parce que nous, nos activités ne se limitent pas qu'au Niger, et nous collaborons dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophone avec les organisations sœurs dans ces pays-là. D'accord. Alors, quels sont les principaux enjeux liés à la violence à l'égard des femmes de la région et quelles actions sont entreprises pour y remédier L'enjeu à la violence, vous savez, c'est le fait que dans nos sociétés, la violence est tellement normalisée. Et mm, la chose que nous pouvons faire, je pense, que si nous arrivons à le faire, nous pouvons dire que nous avons gagné un, pas de géant. C'est qu'on ne puisse plus considérer la, violence comme un acte tout à fait normal dans, la, dans les interactions humaines. Que des parents qui battent leurs enfants ne puissent pas considérer cela comme de l'éducation. Les conjoints qui se qui s'exercent des actes de violence ne puisse plus euh, être considérée comme la vie normale et qu'on ne puisse plus trouver des justificatifs ou des circonstances atténuantes à toute personne qui va se donner à des actes de violence. Mais qu'on puisse aussi arriver à un point où, quand une personne dit qu'elle est victime d'actes de violence, qu'on ne puisse pas la, l'accabler davantage, qu'on puisse tout simplement la croire, la soutenir et lui proposer des solutions pour qu'elle puisse sortir du milieu dans lequel elle a été victime de violence. Donc, n'est pas banalisé, offrir du soutien, je pense que ce sont les enjeux les plus importants. D'accord. Merci, Présidente. Dans cette euh, première partie de notre échange, nous avons retenu que euh, pour votre combat d'abord, l'éducation est à la base de toute chose et que jusqu'à preuve de contraire, les jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation et c'est l'un de vos combats que vous êtes en train de mener pour que les jeunes, puissent, les jeunes filles puissent euh, avoir l'accès à l'éducation d'une manière naturelle. Vous avez parlé également du fait que <clears throat> de faire en sorte que les femmes puissent connaître leurs droits et puissent également aussi les appliquer et de les revendiquer là où ça se doit. Vous avez parlé également euh, concernant la violence basée sur les genres qui est considéré comme une chose naturelle dans nos sociétés. Et l'un de vos combats également, c'est du remédier à cela, de faire en sorte que cette violence ne soit plus une chose naturelle dans notre société. Avant de poursuivre nos échanges, marquons une pause musicale. Et on va revenir juste après. Cette fois-ci, c'est avec un single, deux singles proposés par trois groupes, trois piliers euh, de rappeurs nigériens.

做商家，生意，来做你碰上被砸，他不犯啦，心里可酸啦，看上天还是结果还是差，长的早，长的早，要做时个谁，要做个选择，注意不是人情和盘水，说大话，屁事，装逼，不是为了买不是为了卖俏，怎么整？整的，我来丢人啦，卡阿姆的卡德勒曼，谁人？我刚没去，莫非他？莫非他？人？我认识，心里可烦，烦的，谁人？心里可烦，烦的，我有苦，苦不能说，农村那，说吧，板凳。 single, 2 single semble être un rappel de la part de Captain Jaffa, Kamikaze et Lucifer, les vétérans du hip-hop nigérien. À travers ces titres, ils adressent un message aux jeunes rappeurs sur l'essence même du hip-hop, qui selon eux ne réside pas simplement dans la quantité des singles, mais dans la substance et la persévérance artistique. Et eh oui, euh, Mariam, c'est une réflexion profonde sur la nécessité de rester fidèle à l'authenticité. miles. La vie juste marche comme tu veux. Le fils de diable, la fille d'un diable. Dans la vague juste marche comme il veut. Avec la vague, elle va original, elle va. Ragaman is a player. Like a player, we just gonna make this whole area. Like a player, we just gonna make this Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre, un single, deux singles, tout en espérant que vous avez bien kiffé. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, euh, vous pouvez réécouter l'intégralité sur le site web www.studiokalangu.org ou tout simplement sur la page Facebook du studio Kalangu. Retour au studio avec notre invité Soueba. Je rappelle qu'elle est la présidente de la Ligue nigérienne des droits des femmes. Nos échanges avec elle porte sur la question de la défense des droits des femmes. Présidente, alors comment la Ligue encourage-t-elle l'éducation des femmes et l'accès à l'éducation dans le contexte nigérien Alors, euh, pour faire simple, je dirais que l'essentiel de nos activités consiste dans les formations et les renforcements des capacités au stade actuel des, des, activités. Parce que comme je l'ai dit, avec comme on, dit, euh, avec l'éducation, on peut changer le monde. Et comme disait l'auteur, mon peuple meurt faute de connaissances. Mm. Donc nous, nous pensons que la chose la plus importante et urgente à faire, c'est de dispenser des connaissances, de rendre accessibles euh, grâce à des contenus, grâce à des formations et grâce à des livres que nous, nous mettons à la disposition des gens qui viennent euh, euh, nous rendre visite au bureau ou des personnes qui participent à nos activités. Pouvez-vous partager des succès récents de la Ligue de la promotion des droits des femmes Succès, oui, je dirais que nous avons eu à <laughs> mener une campagne, peut-être que vous l'avez suivi sur les réseaux, où il y avait la Fédération nigérienne des droits des, du football, pardon, mhm. qui avait des installations sportives et que la fédération a interdit l'accès à ces installations à partir des 19h aux femmes et aux filles, hmm. ici à Niamey. Situation que nous avons trouvée déjà discriminatoire. Hmm. Parce que si les installations sont ouvertes au public, hmm. c'est qu'elles doivent l'être à tout le monde. Et si à, un certain, à une certaine heure, l'accès est interdit, ça doit aussi être interdit à tout le monde. On ne peut pas prendre une catégorie de personnes et les donner des heures auxquelles ils en ont droit et des heures auxquelles ils n'en ont pas droit. Nous avons, comme on dit, fait palabre. <laughs> et nous avons été téméraires parce que nous avons tenu des jours, nous avons fait des campagnes jusqu'à ce que la fédération est revenue hmm. sur sa décision et à l'heure où nous parlons, ce sont des <laughs> les installations sont libre accès à tout le monde, à toute personne qui Hmm. se sentent libres de venir pour faire des activités sportives. Donc, euh, sur le plan national, je dirais que c'est la récente. Et comme je le disais, nous sommes en partenariat avec euh, des chefs d'Afrique de l'Ouest francophone et nous avons eu à mener d'autres campagnes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, nous en avons fait deux. En Côte d'Ivoire, nous avons fait une, donc il y a un Nigérien qui a été invité en Côte d'Ivoire pour euh, être formateur dans un programme de mentorat mm. pour les droits des filles et des femmes. Alors que la personne est connue mm. et de notoriété publique sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui est contre les droits des femmes et des mm. filles. Et nous, nous avons dit, si vous êtes contre les droits des femmes et des filles au Niger, vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur le dos des femmes et des filles. Et nous avons aussi fait une campagne pour dire à l'organisation qui l'a invité qu'il n'est pas digne. De gagner de l'argent, de se faire de la visibilité et de la notoriété pour des choses dont il ne croit pas et il a été désinvité. Je crois que là aussi, c'est un message que nous portons pour dire que les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à l'air. Parce que dans la vraie vie, c'est qu'ils partagent impact réellement dans la, dans la vie réelle et que on ne devrait pas se permettre tous les réseaux. D'accord. Et que les réseaux, c'est aussi la vie. Super. D'accord. En cas de besoin, est-ce que des victimes peuvent faire appel à vous Si oui, comment Sinon, comment les aidez-vous Alors oui, euh, au niveau de la Ligue, nous avons installé euh, un petit centre d'accueil mm. pour les personnes, ça peut être des femmes, ça peut être des filles, qui ont besoin d'urgence d'être hébergées. Et donc, euh, les personnes là, ils peuvent nous contacter. Nous avons fait une installation où ils peuvent en urgence au moins rester quelques temps, le mhm. fait de trouver une solution. Maintenant, comme euh, nos installations ne sont pas suffisamment grandes, nous ne pouvons pas recevoir beaucoup de monde. Nous avons quand même des partenariats avec d'autres structures mhm. qui, elles, ont plus d'espace, ont plus de moyens mhm. pour euh, le faire. Et donc, nous faisons ce que nous appelons le référencement. Donc, euh, nous accueillons ces personnes-là et nous les aidons à être orientés dans un centre plus grand où ils peuvent être euh, accueillis et rester un peu plus longtemps là-bas. Ah ben, bravo. <laughs> Merci. à vous, Présidente, d'avoir répondu présente à notre invitation. Euh, nous vous disons excellente journée. Merci, tous les présidents et pour moi. Mhm. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, il est 11h passé de 26 minutes. C'est l'heure de la rubrique hebdomadaire éducation. Dans l'éducation numérique de ce jeudi, le scénariste Idi Nuhu nous explique la place euh, du scénario euh, dans une production audiovisuelle. Selon lui, très peu de scénaristes animent le paysage cinématographique au Niger. On l'écoute au micro de Asuman Aboubakar. Un scénario, c'est en terme simple, euh, le film sur papier. C'est le film euh, sous forme euh, écrite, avec ses ambiances, ses actions décrites et les dialogues. Donc c'est ça qu'on traduit sous forme d'image. Mais de façon plus globale, un scénario, c'est un outil de travail pour le réalisateur. Donc, euh, au-delà de la réalisation, donc, euh, le scénario ne sert plus. Donc, euh, c'est juste un document de travail pour les réalisateurs. Avec quelques autres parties ou compartiments, ça constitue la Bible pour les réalisateurs. Donc, on a une description des personnages, des lieux, ainsi que quelques autres informations. Et donc, la partie qui est capitale, qu'on appelle la continuité dialoguée. Donc, c'est cette partie-là qui est essentiel pour le réalisateur. Toutes les autres parties, c'est des préliminaires qui permettent de préparer donc euh, euh, cette continuité dialoguée. Et dans notre contexte audiovisuel, on a combien de sortes de, de, de scénarios De façon plus générale, on a des scénarios pour les films de fiction, et, mais on en a également pour les films documentaires. Et donc, euh, à l'intérieur de ces deux divisions-là, donc on a des scénarios pour des films documentaires euh, de création et puis euh, d'autres genres qui sont nombreux aussi. Et en matière de fiction, on a donc des films unitaires et on a des feuilletons, on a des séries et on a également d'autres genres qu'on appelle sitcoms euh, et autres. Et quelle est la place du scénario dans une production audiovisuelle Le scénario, il a plusieurs fonctions. Euh, c'est d'abord l'outil qui permet de budgétiser la production d'un film. Il faut savoir euh, combien de personnages, euh, dans quel lieu on va tourner, ainsi de suite. Donc ça permet de faire le budget. Donc c'est en même temps l'outil pour le producteur qui cherche l'argent de la réalisation de la production. Donc sans le scénario, on ne peut pas savoir d'abord où est-ce qu'on va chercher l'argent parce que en fonction du type du film, de la nature du film, les guichets diffèrent. Donc on ne va pas chercher l'argent dans n'importe quel guichet. Les guichets qui aident euh, les films de fiction euh, n'aident pas forcément les, films documentaires euh, et vice-versa. Et donc, et en fonction des thématiques aussi. donc, vous ne pouvez pas, pour un scénario, une histoire qui parle de la condition de la femme, vous n'irez pas chercher l'argent dans une institution qui défend des thématiques pour enfants ou qui défend des thématiques sur l'environnement. Pour un réalisateur qui débute, ou qui a une expérience euh, limitée. Euh, le scénario est un euh, document de travail essentiel. Donc le scénario détermine quel type de personnage on aura et dans quel lieu on va tourner et comment, à quel moment il faut tourner. Parce qu'il y a des scènes de nuit, des scènes de jour, il y a des scènes d'intérieur et des scènes extérieures. donc tout cela, c'est le scénario qui permet de le déterminer. Voilà, c'était là la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Nous allons encore une fois de plus déguster de la ZIC et cette fois-ci, retrouvons l'amido avec son titre Komilo Kachine. On écoute. titre Komilo Katine, chaque chose a son temps, c'est ce que dit Lamido dans cette euh, musique. Lamido est un jeune rappeur basé à Tawa il nous livre un message puissant à travers sa musique. Il rappelle que chaque chose a son temps. Cultivons la patience et la persévérance. Ses paroles rappellent qu'il est important de ne pas se précipiter dans la vie, mais plutôt de persister avec détermination. ba da siyasa ba a gama girma sai ko da isa. Lokaci ne. cette euh, agréable mélodie, cher auditeur, il est temps de passer à l'écho des régions. Oui, c'est nous. L'écho des régions d'aujourd'hui nous amène à Zandera pour parler de la poterie de la ville de Myria. En effet, Mariam, la ville de Myria, euh, dans la région des Zender, est connue pour euh, sa poterie dont la renommée a dépassé les frontières nationales. Un groupement dénommé Yumbu s'est spécialisé depuis plusieurs années dans cette activité. Zara Boukar s'est entretenu avec la présidente du dit euh, groupement Hajia Zouera. On écoute. fiye da wani irin ci gaba kuka samu ci gaba muna ci muna sha muna yara iyalinmu muna wa yara armi a ciki muna taimaka yan uwanmu tana bunƙasa tana ci gaba mun sha cuturi na zo mu ta yi mu ta yi ina ana kai mu ƙasa ƙasa muna cin ka ɗari biyar muna cin ɗari biyu ɗari uku muna ci mun sha cin firi da muna ya a cin gida muke a can ko a gidan shi yake kuma da aka samu wannan kungiya sai aka mu aka ba mu wancan hira to kun kai nawa cikin wannan kungiya wannan kungiyar ta mata talatin maza goma to wani irin laka ne kuke aiki da shi eh, yumbu ne kala biyu su ne muke aiki da su tun fil azal ni da na taso ma iyayena shi na gani suna yi wannan gado ne na bi wanda yan gari wanda muka sa suke cin kungiya duka tare muke zuwa nan mai aikin ni ma yanzu da diyana da jikoki na kowa iya yake akwai wani ɗana gurgu da yake wannan kullum ma ya taɓa hasa aikin wannan laka da ɗiya musu shiga da wasu ta yi wajen najeriya su jena ana kashe su muka ce gara su koma gida mu aikin mu da su me kuke yi a cikin wannan kungiya don ku taimaka wa junanku abin da muke yi a cikin ta da muka tsira ta muna yin kuɗi kudi dala arba'in arba'in muke yi an aka tara shi aka kirga kudin ya a zuba sai a raba shi gida uku ɗaya a zuba shi a asusu ɗaya mu kan kayan aiki kuma raba mu kashi wani asusun da muke wani an sabga ta same mu wanda za ta yi sabga sai a tallafa mata a alamta mata in ta yi biki ta kare sai ta mai doshi ina ta mai kakkiya niya da shi ko bikin alme ko bikin aihuwa ko kuna da wani kira game ga mata yanzu muka je mai biki ga wuyar da muke sha amma muka kai ka muka kasa sai su ce ma kasa ba can za ku kai kai can mun muna yawo da kaya sai mun je mun kai shaida mun kai mun je mun gaya mutane tukun kan zo a daidaita mu su su bar mu mu zama mu sai da kaya tun da dan mu shago ne aka ce wannan shagon mu ne ko ai ba kore mu ba to wannan shine mun babban matsala ce muna neman taimako a taimaka mu ko wata mota ce haka wanda za ta rika kai mu kaya ya mai ko motar zai ta dauko mu yimbu a gurin aikin laka mu dai a ba mu dai abin da zai gina mu mu halmu barwa diyan mu da jikokin mu C'était là l'écho de région réalisé par notre correspondante Zara depuis Zander. Un coucou à vous qui nous suivez depuis Zander via la radio Shukura 105.5 MHz. On fait une pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. à présent accueillons notre chroniqueur sportif à euh, Dijoura. Euh, bonjour Gourouza. Euh, bonjour Myriam, bonjour Sénou. Bonjour. bien. Alors à Gourouza, la Ligue régionale de Kung Kung Fu, c'est ça Ouais, Kung Fu <laughs> Desender a organisé un passage de grade à ses pratiquants. Ah oui, Myriam, c'est un événement qui se déroule périodiquement pour évaluer les pratiquants hein, de la discipline des différents clubs de la capitale de Tamagara. Ils étaient une vingtaine à ce passage de ceinture. Au terme de la compétition, notre correspondant à Zender, Ali Keita, s'est entretenu avec Maître Idriss Omourou, ceinture noire, troisième d'un. Nous l'écoutons. Redin da za su kara daga jaune ne zuwa orange wasu daga daga bert ne zuwa blue wasu kuma daga jaune zuwa orange kuma wasu daga blanche zuwa jaune su ne 'yan takarar da suka a akila sun kai kusan 20 wannan mutane 20 sun hoto daga duka kulobobi ne na cikin unguwa-unguwa wanda suke cikin da magaran da club san tana da dan takara kuma ta ɗauki affiliation inta na zama a wannan league din to ta hudo da 'yan takaranta tambayoyin da ake musu sauransu duka yana cikin tsari tun da wannan fasaji ne an huto ko ka huce ko ka yi redo na wannan tambayoyi da ake ma in dai hal baka ba da ba amsa a gare su kenan kana iya haduwa kuma sai kuma wani jikon in league regional ta da magaram ta kungufu ta sake kira da takara a zo a yi za a kara gala mutum sannan ya zo ya koma ya sake gaskiya in ya huce haka ya kai zuwa nuwar kuma wannan sai opulan national mu bakin anan abin da muke iya musa mutum stash in ya so kuma ya kai zuwa nuwar kuma sai 'yan passage da ake yi da haɗin gwiwa duka sauran jahika federation take yin shi Gourouza, l'actualité sportive du moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, faisons un tour en Côte d'Ivoire paraît-il qu'il y a des victimes du côté des entraîneurs. Oui, sinon, euh, le Ghana a son technicien Christophe euh, Hickton, après l'élimination des Black Stars en phase de poule. Idem et euh, pour l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gassier. Lui, il a été remercié après la défaite. Une défaite vraiment euh, humiliante euh, de la Côte d'Ivoire face à la Gambie. C'était alors euh, la dernière journée de la phase de poule. Grouza, l'entraîneur du Maroc, lui a été suspendu. Pourquoi Oui, Myriam. Eh bien, Walid Regragui a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis selon l'instance dirigeante du football africain dans un communiqué rendu public le mercredi, ça veut dire hier. Cette décision fait suite aux échauffourées euh, survenues à l'issue euh, du match de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et la RDC, la République démocratique du Congo, dimanche dernier. Walid avait eu une altercation avec le défenseur congolais Chancel Mbamba et la Fédération royale marocaine de football a qualifié d'injustice cette décision de la CAF et a décidé d'interjecter appel de la suspension de son entraîneur. Voilà, Myriam, voilà sinon euh, pour le sport d'aujourd'hui. Merci Grouza. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et oui, Mariam, dans notre rubrique portrait, nous allons à la découverte euh, d'une formatrice d'un foyer de formation au métier. Elle forme euh, les jeunes orphelines à Niamey. Elle s'appelle Fatoumata Aboubakar, dite Nana. Voici son portrait avec Oumu Oumarou. Muna cikin fuwaye ɗin Fatumata Abubakar wadda an kahi sani da nana tana da arme tana da kimanin shekara talatin da aihuwa. Mace ce mai kuzari wadda ke taimaka ma marayu 'yan mata. Gurinta shine ta ka musu taimako don su samu su koyi aikin hannu wadda za su dogara da kansu. na yi formation ghana na yi formation kuma nyamai duka ina diplom tun ina yarinya yake cikin raina in taimaka marayu in taimaka kuma kowace mace shekara takwas ke ga ina taimaka marayu kadai ce na ce bubbuga ina taimaka kuma ina da wa wanda shi ma yake kara min babu inda ban nema a taimaka min ban samu ba abin da ya sa ce in taimaka marayu saboda maraye shine ke da rauni kun maraye shine Allah ya ɓoye uwayen shi da ubannan shi ƙasa yau duk wanda ke tunani ya taimaka maraye ko bai samu duniya ba goben shi zai yi kyau ina da gurin taimaka marayu sama da mutum ɗari biyar. Rahila Hassan marainiya ce ta yi karatun boko a bayan shi ne ta komo cikin fuwaye ɗin na nana take koyon aikin hannu na ɗunki tana murna da wannan koyon aiki da take nan tana yi. ni bana na na shiga an amshi takardun baba babana da takardar aihuwa ta da annan na ka fara zukuwa ai da na zo ni dinki ne na hibba da karfi wajen dinki na yi sai so bi ban samu ba shans ina ya ida amma ta ba ta da karfin biya min in yi karatu eko shi yasa ba nike zanne ba ni nan ga komi muna zanin da su lafiya muna taimaka mu juna in wani bai gane ba yana iya tambayar wani sai a kwatanta mishi an ta ce mu yi muna yi in ta hana mu muna bari ina yin shushuri rize ina yin yanka dai na iya riga ina yin shi buri na nima ina iya ina so nima in koya mu marayu iri na su ma samu su samu ilimi su ma in taimaka mu mata Malama Bushira tana yabo wannan guri na nana wannan hanya hanya ne wadda yake iya taimaka musu yaransu su samu rayuwa mai kyau a gaba tana yabo zuwa gare ta kan bugu gobe na gobiti amma za ha gobe ko ka ku sizem dai na te ke hinka da dubu inka ai kai ne izuno non go ka go nyango bu babu agoise ai dan e ko man kai ke ko ti ai dan makaranta a man kai ka ti ai mai makar na go ga tu mai sambu ai kana na na za a shintikte shushu hi za wani yan asin tintikete ba tayan ayi ni gumu gumu gumu gumu gumu wai bo zai sanwa kun sa ba go kun yo kwara da su wani kan bugo yamu bino zai so ka sinti kwani goyo na asinda goy gina ba im tonton ma shi ne bun bosi wasasi fa za gundi nika asimon duma bayani sai zan kai mu agogi samu su agogi danne ne mo bin fa ko na tun bo kuka kan samu ni bon seno ni samu ma nani diyan na gaba. Nana tana neman taimako zuwa ga magabata da masu hannu da shuni su taimaka mata don ta samu ta bunƙasa wannan fuwayen ganata ta karbi 'yan mata marayu ta koya musu ayyukan hannu wadda za su iya su dogara da kansu da kansu. Muna yin dumki, muna yin su wani saƙa kuroshe riguna hakan gana saƙa na iya aiki dewa, na iya yin sabon, na iya yin takalmi, na iya yin santir, kalmisa wani cadiye. Me ba mu da kayan aiki. ONG dewa su ma sun sani na san su. Dai na aje dosiye na ONG sai na yi sortahiya arba'in ina tahiya. Dan nan ina ɗauka maraya da ba tare da na amshi dala garin shi ba. Na samu aure ba daiwa akwai matsala mai yawa saboda shi rike maraya sai ka hakuri ni ban ce mai shi ya hidda kuɗi ya bani ba ka sayi min kayan aikin da zan iya taimaka ma wa'anda nake da guri in taimaka ma yanzu mashin guda mutum takwas mutum bakwai akwai mashin da mutum goma sha biyar Voilà, chers auditeurs, après ce portrait très inspirant, dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans notre playlist d'aujourd'hui. Et et c'est le morceau Zamano Barmei de l'artiste Yazdi Mewaka. On écoute. séduit les mélomanes avec son premier album solo, Rattraper les temps, explorant les nuances du reggae, rap et dancehall. Il est l'ancien leader euh, vocal du groupe Métaphore Crew. Finaliste d'Ertel Trace Music Star 2016, Yasdi offre une expérience musicale captivante, promettant une carrière qui continuera à évoluer et à séduire un public diversifié. Zaman Barmé, chaque chose a son temps, comme cette émission qui tire vers sa fin. Oui, c'est nous, mais d'abord, parlons loti. Aujourd'hui, les sujet sur la table, c'est les conséquences de laisser un enfant seul à la maison. À un âge, à un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter des problèmes et des accidents. Rakia Arimi et Fanta Shamsou en parlent dans cet échange. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji kai kai kai wa nake gani haka safi yar uwa ke ce masha Allah na shima da ki ya ne kina lafiya alhamdulillah umma wallahi mun jima da juna kwarai kuwa an ya mu kai shekara biyu ma tun bikin bebenki ridwan mm. ya ma yake da dama shi lahiyar shi lau na bar shi a gida umma kin san ba daɗi ka ringa yawo da yaro a bayanka abin da wuya gaskiya kina da gaskiya ni ma ba iyawa dan gaskiya wuya gare shi har dai ka zo kasuwa da yaro wallahi kenan tare da baban shi baro shi baban shi a'a shi ma ya kawo ni nan ya aje ni kasuwa ya wuce wajen wani fatiyar biki a ah, to shikenan To da wa kika baro jaririn? Halan um. dai mai reno gare ki. <laughs> Umma wallahi banda mai reno yana kwana dai na hita sai na bar shi shi kadai gida. Shi kadai? Rinuwan inda bai ma cika shekara biyu ba. Ke bari ta da hankalinki sai da na rihe ƙohohi da makulli sannan na hito ba abin da zai same shi in sha Allah kuma ba wanda zai je ya tada shi. Kin ga dama na zo ne in yi gaugawa in kare abin da zan yi direct in wuce gida amma sai na dan biya wajen tela na na doko riguna na kwamkin san akan hanyar inna lillahi wa inna ilaihi raju. safi me akai an hakan ki ɗaya kuwa ke wata irin uwa ce to umma me hankalin ki ya tashi haka dan na ce miki na bar riduwan shi kadai a gida me yake yi abin da na saba barin shi haka nan shi kadai in zo in yi abubuwa na in koma kullum yana barcin shi kaman kaman wanda ya yi aikin duniya yanzu haka ma yana san yana barci ba abin da ya dame shi Gaskiya ni ban taɓa ganin uwa irin ki ba. To. Ƙaƙa ki tashi ki rihe yaro cikin ɗaki sannan ke ki hito hankalin ki kwanci salim alim kina yawo cikin gari. An kin san irin haɗarin da ke ɗauka kwa. Ƙoƙari ma gare ki. Ke umma, hankalin hankalinki. Babu wani abin da zai same shi. Kuma ba ƙarshen duniya ba ce don na bar Ridwan shi kaɗai a gida. Kuma ba na farko ba ne. Matsala guda ɗaya ce in ya tashi da barci. amma kin gani shi yasa nake gaugawa kamin ya tashi na tahi na koma gida safi yaro ko barci yake ko horke yake bai kamata ba bai kamata ba sam ki bar yaro shi kadai cikin gida yaron da yake bukatar kulawa a ko da yaushe kin ga ɗanki ridwan zai iya tashi yayi ta kuka kuma wannan zai iya taba kwakwalwar shi taba kwakwalwa kuma ke ban ciki da wannan abun na nasaru ba komi ba ne shi dai larurar kwakwalwa ba ta san ba launin fatar mutu. ke bayan wannan ma ɗanki zai iya tashi ya taya miki wata barna cikin gida ba na miki fata amma zai iya jimuwa ya yanke ko kuma ya kawo wani haɗari da ake cewa haɗarin cikin gida haɗarin cikin gida kuma me wannan haɗarin cikin gida su ne misali wata gobara ko kuma yaro ya yanke ko ya ƙone ko kuma ya samu wani abu ya shaƙe shi wanda numfashin shi zai tsayawa yara suna da ɗan karen ƙunƙunto suna son su taɓa komi suna son su san komi yana iya ya ta cikin gwadalarki ya kunna gas gazikin nan kuma baya da kyawu sai ya shaƙe shi ko kuma ya sa huta ma cikin gidan gaba ɗaya. Kai subhanallahi subhanallahi Allah ya kiyaye mu umma idan danki bani tsoro ne kike haɗi mini wannan abu da Allah bari ban na so. Ba da in baki tsoro bane ba gora ko kuma dan ina miki wani mummunan hwata amma ya kamata ki gane kuma ki kula ki daina barin yaron ki shi kaɗai a cikin gida ba abu bane mai kyau kina iya idan za ki huta ki tai ki kai ma makotan ki shi kamin ki kare yawon ki ko kuma ki samo mai reno ta kwarai ingantacciya ta gari wallahi kina da gaskiya abin da kika haɗe mini wannan ya taɓa ni ban ma san ba ko na ci gaba da sayayyan kayan nan yanzu abin da nake so kawai komawa gida in je in ga yadda riduwa yake wayo Allah ka aje ma a ce wani abu ya same shi na san dai lahiyar shi lau kwantar da hankalinki safi insha Allah kin isko shi lafiya ki maza dai ki shi gida Allah ya kiyaye danki amin amin taxi taxi taxi haro banda Eh oui, chers auditeurs, euh, voilà, vous venez d'écouter l'affairage du jour euh, proposé par le desk femme du studio Kalangu. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Soumana Amadou. Il est journaliste en langue fulfulde et il nous vient avec le mot du jour. Pour rappel, le mot de la semaine est éducation. Bonjour Soumana. Eh, bonjour à tous. Eh bien, donc, euh, chers auditeurs, auditrices, en espérant que vous vous portez bien, et je vous dis bienvenue dans votre émission, l'émission Culture linguistique. Alors, comme tous les 24 janvier, nous célébrons la journée internationale de l'éducation. Donc, le mot du jour est éducation. L'éducation est le processus d'enseignement ou d'apprentissage, particulièrement dans une école. Et à l'ère du numérique, nous pouvons apprendre depuis la maison sur notre téléphone portable, notre ordinateur ou notre tablette. Premier exemple, l'éducation est la transmission de la civilisation. Un second exemple, l'éducation est un bon investissement. Dernier exemple, éduquer une fille et éduquer toute une nation. L'éducation est un puissant facteur de changement. Elle améliore la santé, et les moyens de subsistance. Chers auditeurs et auditrices, chaque jour est une vie. Prenez soin de vous et travaillez dans la bonté des choses. Voilà, donc euh, on peut aller expliquer cela donc en fulfulde. To, e eh, en na hala jande e ekkintinol. Hunno ko laati noga ene lewru janvier hitande fof no waɗe battude duniyaaru ɗo fi jangguinogol ekkintinol ngol enda kono majjum woni ekkentingol yimɓe e nder lekkoliji no woodi hande en naati e kulle jamanide a wodi téléphone maɗa na ordinateur ma na ko ete tablette aɗa wawi jangga wurɗonda ko jiɗɗa fuu jangguinol ngol du hokkatana yimɓe pinal hokka yimɓe du konɗa ni dabareji nota ko tawi heeɓi gaɗi cellal kañum e kullantareje ko watta ko neɗɗo waɗa gurdam muɗum gurdam moƴƴuɗam ndenne ono hettiniɓe rewɓe e worɓe andi toon ke jangguinol ngol enɗan hun ko wodi sembe sanne jangguinol e ekkintinol fu lawol gotol ngol non sey tami wiya on debbo e gorko anno ñalande fu warde ñalande enda yo gurdan noon kakkile koye mon fa waɗa ndene koye moɗon moƴƴina koye moɗon gollon golle ɗen dukkandan e dow laabi lobbi Merci infiniment. Chers auditeurs, si vous avez euh, d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message euh, écrit ou un vocal au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Justement, si nous écoutons ensemble les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Eh, radio ngana ga hangan da bayan mewa da koro di du hankari ga ba ara matantani se lokacin kai gino alhabaru din radio kalangu radio no kanga borno alhabaru haikul kante radio kalangu ni agake labora aga hima ara mutonten irse lokaco kan aga labaru no haden ga kana shi gomo zama radio no kanga borno baru kan manci tare wanno cimi wanno hankante labora no gi cini shi radio kalangu radio kalangu radio no kan ir bayan go eh il ko macimo ir go ga hangal da bayan ga baram mutonten irse lokaci kan aga labaru no aban na kawo bakar ahmed a zango nirmaniya gaskiya na kin sali zana izara zana sasale a radio a studio kalangun hisalla wasu da yanta da ya zage wayewa kullum nara ta wanda ta gini sallah na gara zana na wulle wulle to ni kini zara ta na wasu sala na zuwa karhe biyar da daga stuwar ta shatan nerfi to in ta daga na garro sala kullu wanda wanda masu wanda madal kullu wannan fa na madal to waje gawar tilana gwamnati na kalistiriyar kalangun kazan da kazan da mara sun sallo Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Dadi Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ouseni, 50% et moi-même, Maria Le plaisir est très grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris demain à la même heure avec Salamot Kadri et Habiba Hamed. Et oui, à la technique, c'était tout simplement Mustafa Ayouba, l'homme aux doigts magiques et la grande dame euh, Adama Dawaki à l'édition. N'oubliez pas de rester branché à 17h pour suivre nos journaux en 5 langues. Sur ce, ciao, ciao, ciao. Bon appétit. Il est temps. Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Ukayyesi. Barkaji modon e wonjagolitane. Jama'a da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.